asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonant bi sallallahu alayhi wa ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp tey dañu ñëwoon pour présenter benn produit boo xamante ni produit bu baax la bu am njariñ la bu efficace pour dimbali leen seen awra mën a dëgër seen érection mën a yàgg ba ngeen mën a ànd ak seen soxna neen ko bëggee produit la boo xamante ni yi ñuy mélange yomb na mën ko am si nature bi si àll bi jafawul trouver aussi te même boo ko doon jëlee li muy jar cherul bu njëkk bi mooy da wut jaar jaar dafa naa yéen ñëpp xam ngeen ko jaar mi ngi nii boo amee jaar nga wut si benn nga bu loxo soo paree nga wut xorom polle bi nga wut si benn nga bu loxo mooy xompolle soo paree nga wut ñamako bi muy garab bu am solo ñu koy jaay si marché aussi mais du kaani nag ñu ko dañ koy jaawale kaani mais du kaani nga wut si benn loxo su ko defee nga wut benn gingin mooy jinjeer bu tul nii nga jaxase ko dëbb ko ba mu nga denc ko saa yooyu waaj a ànd si soxna benn waxtu avant nga jël ci benn kudd bu ndaw def si kaasu kinkil ba nga yëngal bàyyi ba mu sedd nga segg naan si kàttanu yàlla boo koy def sa awra dina dëgër dina jug nu war a jugee dina la dimbali ba nga mën a sëy sëy bu yàgg kon lii la ñu doon te di leen ko may di leen joxaandu si beneen jataay ak beneen waxtaan jërëjëf La boutique Biotique vous présente notre gamme de produits 100% bio, 100% naturel, traitement définitif contre éjaculation précoce, traitement définitif contre azoospermie, oligospermie, traitement définitif contre hémorroïdes internes et hémorroïdes externes, traitement définitif contre faiblesse sexuelle, pommade Yoku Aura et lubrifiant pour hommes, traitement définitif contre city, dermatose, ballonnement et constipation, traitement définitif contre prostate, estomac, diabète. Pour tout besoin, contactez-nous au 77 982 98 82.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 l'impuissance sexuelle également connue sous le nom de dysfonction érectile est un problème qui peut avoir des origines multiples à la fois physiques et psychologiques du côté physique des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension et l'athérosclérose ainsi que le diabète peuvent réduire le flux sanguin vers le pénis entraînant des difficultés érectiles. L'obésité, les déséquilibres hormonaux et certains troubles neurologiques peuvent également contribuer à ce problème. De plus, certains médicaments et substances comme l'alcool, le tabac et les drogues illicites peuvent aggraver la situation. Sur le plan psychologique, le stress, l'anxiété et la dépression peuvent jouer un rôle important dans l'impuissance sexuelle. Des problèmes relationnels, tels que le manque de communication ou les conflits émotionnels avec le partenaire, peuvent également avoir un impact négatif. Le mode de vie, y compris le manque d'exercice et une mauvaise alimentation, ainsi que le vieillissement naturel, peuvent également augmenter le risque de dysfonction érectile. Les conséquences de l'impuissance sexuelle peuvent être variées et affecter différents aspects de la vie d'une personne. Sur le plan psychologique, cela peut entraîner une faible estime de soi, de l'anxiété et de la dépression, ainsi que des problèmes relationnels. Physiquement, cela peut indiquer des problèmes de santé sous-jacents et réduire la qualité de vie. Socialement, cela peut entraîner un isolement et des problèmes de fertilité. Heureusement, il existe plusieurs approches pour gérer et traiter l'impuissance sexuelle. Les traitements médicaux, tels que les médicaments oraux, les injections péniennes et les dispositifs sous vide peuvent être efficaces. La thérapie hormonale et les thérapies psychologiques, comme la TCC et le conseil de couple, peuvent également aider. Des modifications du mode de vie, y compris l'exercice régulier et une alimentation saine, peuvent également avoir un impact positif. Il est important de consulter des professionnels de santé pour déterminer les causes spécifiques de l'impuissance sexuelle et trouver les solutions les plus appropriées. En abordant ce problème de manière holistique, il est possible d'améliorer la qualité de vie et les relations intimes. Biotique vous présente notre gamme de produits 100% bio, 100% naturel, traitement définitif contre éjaculation précoce, traitement définitif contre azospermie, oligospermie, traitement définitif contre hémorroïdes internes et hémorroïdes externes, traitement définitif contre faiblesse sexuelle, pommade Yoku Aura et lubrifiant pour hommes, traitement définitif contre Ndoku-City, dermatose, ballonnement et constipation, traitement définitif contre prostate, estomac, diabète. Pour tout besoin, contactez-nous au 77 982 98 82. لمن كان